Il est 4 heures du matin au marché Seymour, plus précisément dans ce coin sous le nom de marché Guana. Des femmes visiblement couvertes de manteaux pour faire face à la fraîcheur matinale. Voilà le quotidien de ces braves dames qui s'activent dans le commerce pour gagner leur pain et nourrir leur famille. L'une d'entre elles, Rachel Banyaki, mère de deux enfants et originaire du village de Dakar Bango, situé à 5 km de la ville de Ziguinchor, où elle mène ses activités. Pour venir ici tôt, je me réveille à 3 h du matin. J'ai deux enfants avec moi. En plus, je n'ai pas de mari. Pour rester à la maison, tu n'as pas d'argent, tu n'as rien. Les gens te moquent de toi. Si tu n'as pas de mari, pas d'argent, te dis, donne-moi, si tu dis donne-moi l'argent, il te, dit donne-moi ton corps. C'est ça que nous, nous les femmes, nous, nous voulons rejeter ça. Ça, c'est pas bon. Aujourd'hui, c'est grâce à ce petit commerce que Maïmouna Djemé, mère de quatre enfants, arrive à payer la scolarité de ses enfants. Rencontrée sur les lieux aux environs de 5 heures du matin, elle nous explique sa situation. Fajar lañuy yeewu dañuy yeewu les 5 heures du matin les les 4 heures du matin di ñëw fii xaar borom bagage ni daal ñii di jógee ci àll ba ñoom presque ay 3 heures la ñuy ñëw nga. di ñëw di ñu di daanu fii suñu doole suñu vie bi léegi dafa métti am na ku ñuy jàppale ñun ñooy jóg di jàppale suñu bopp ci jaay bu ñuy ñëw nii fajar moom la ñuy fayee suñu doom yi ñu jàng ku nekk ku toog fii am na doom boo xam ne day jàng privé waaw am na ñoo xam ne dañuy jàng public am na ñoo xam ne dañuy jàng privé te doo boo toogee doo am looy fayal sa doom vraiment ñu ngi suñu doole pour dundal suñu jaboot yi waaw loolu moo waral fajar ñu ñëw boo ñëwulee fajar tamit doo am looy jaay waaw jaay bi bëri na fii bagage yi bëri nañ fii mais lu nga soxla da ngay teel a ñëw nga ut ko nga teel a jaay loolu moo waral ñu ñëw fajar bi pour ku nekk am lu mu bëgg. La bravoure de ces femmes du marché Guana n'est plus à démontrer. déterminées à faire face à toutes circonstances dans l'unique but de vivre dignement à la sueur de leur front chose qui doit servir d'exemple aux autres, atteste cette dame de troisième âge qui s'y active aussi, Sophie Badiane. ñi important. faute d'espace convenable elles sont obligées d'occuper les trottoirs ce qui n'est pas sans risque pour leur sécurité Rachel Bandiaki. avec les voitures les motos Jakarta ça c'est des risques c'est très difficile pour nous ici. Nous, on n'a pas de place à l'intérieur. C'est ça qui nous pousse à venir sur les pavés. C'est à cause de cela. De nous aider, de nous chercher les places. Ici, ce n'est pas bon. Ici, on peut créer des accidents. Ce n'est pas bon, là, c'est pas bon. Qu'ils nous aident, qu'ils nous aident beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puisque ici, tu peux mourir ça. Si tu meurs ici, c'est à cause de tes enfants que tu meurs.

waaw jigéen ñaa daj lu metti daal metti metti metti bo fu ñëwee huit da ngay yërëm jigen ñi parce que borom magasin bu béré rek ñëppay wa dem wut fenen place marché bi dafa saturé ñu ngi leen di ñaan nañ ñu dimbale ñu wutal jigen ñi place fu ñu mën a toog gor góorgóorlu pour wut. Voilà encore un 8 mars qui devrait pousser les décideurs à prendre en charge les dures conditions qui rythment le quotidien de ces braves femmes rurales.